Mesdames, Messieurs les représentants des conseils généraux de l'Ain et des Yvelines, invités de ce forum, notabilité coutumière, chefs religieux, chère population de Rufisque, malgré un agenda chargé, car je devais être en ce moment à Banjul, dans le cadre du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Mais je ne pouvais rater cette occasion où on parle du développement de Rufus. Et donc, je vais rallier la capitale gambienne dès après ce forum. Et j'ai tenu à prendre part et à présider l'ouverture du forum de Rufusque dans le thème et s'implanter sur un territoire d'avenir. Je voudrais avant de passer saluer mon ami Charles Mion ainsi que la délégation qui l'accompagne, ainsi que Martha Diouf Pedro et tous les invités ici présents, mon frère du Maroc également. Alors, je salue cette décision du conseil départemental de Rufisque, présidée par l'honorable député Souleymane Ndoye président du conseil départemental Souleymane xam naa ne bu may bu may dem campagne dama lay àbb waa Tëngéej ji parce que jërëjëf monsieur le président du conseil départemental de Rufisque je suis heureux de revenir dans le département de Rufisque quelques jours seulement après y avoir invité le président Erdogan ici à Diamniadio dans le cadre d'un forum des affaires suivi d'une visite de chantier du stadium multifonctionnel, l'Arena de Dakar Rufisque, mais également du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. Bien sûr, il serait aujourd'hui rébarbatif de lister les projets structurants qui sont en cours de développement ici dans le département de Rufusque. En lançant ce forum économique et social, vous avez compris qu'il revient naturellement aux élus locaux d'impulser la réflexion devant permettre de définir les stratégies contribuant à la mise en œuvre et au succès de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cette initiative majeure rappelle éloquemment le rôle fondamental des collectivités territoriales, d'un de l'État dans la promotion et le développement d'économies locales fortes arrimé au grand projet structurant du PS. Et je voudrais dire au Rufusquois, après cette projection de ce film qui retrace l'histoire de votre beau département, vous devez être fiers de cette histoire du département de Rufusque et de la commune de Rufusque, devenue ville de Rufusque. commune créée en 1886, soit aujourd'hui 132 ans d'histoire Municipal et refuse donc doit aussi être fier de son présent mais surtout de son avenir. Les élus, acteurs clés du développement économique et social, doivent exercer pleinement leurs compétences pour relever avec l'État les défis de l'émergence. Les élus doivent en particulier veiller en permanence à la mise en cohérence dynamique des politiques locales avec les différentes politiques sectorielles nationales. Cela met en lumière la place et le rôle ainsi que les responsabilités essentielles des élus dans notre quête d'une prospérité durable et partagée. Avec ce forum de Rufisque, qui met en relation acteurs locaux, États, investisseurs du secteur privé, national comme international. Le conseil départemental ouvre là le chemin de l'ingénierie territoriale pour un meilleur devenir de nos collectivités territoriales. Je félicite le président du conseil pour ce leadership ainsi que les dynamiques membres de ce conseil municipale constitué de maires extrêmement engagés pour le développement de leur terroir. Et je salue l'ensemble des maires du département de Rufus, ceux de la ville, tout comme ceux du département, et saluer surtout la synergie qui vous lie dans votre action quotidienne de développement du département. La réforme de la décentralisation, vous l'avez rappelé, dénommée acte 3 de la décentralisation, traduit mon ambition de bâtir un Sénégal émergent à partir des atouts et potentialités de chaque territoire. Au-delà des changements dans l'architecture de gouvernance, avec la communalisation intégrale et l'avènement du conseil départemental, comme collectivité territoriale. J'avais voulu offrir aux acteurs locaux une meilleure participation à l'élaboration et à la conduite des stratégies de développement territorial. À ce titre, le département responsable du développement homogène entre zones rurales et zones urbaines, porteur de solidarité et d'activité, doit œuvrer au renforcement de l'attractivité territoriale à travers notamment la promotion du partenariat public-privé. Et c'est tout le sens de votre forum. Un forum qui sera un véritable un espace de marketing territorial. Je salue les entreprises ici présentes et la doyenne et la SOCOSIM que je salue et que j'engage malgré ses efforts importants à renforcer sa participation dans le développement local du département de Rufisque. Le département de Rufisque est en effet le principal bénéficiaire des grands projets du plan Sénégal émergent. La nouvelle ville, la nouvelle ville de Djamnadio la nouvelle ville de Diamniadio symbole de ma nouvelle politique de renouveau urbain est située à 30 km de la capitale à partir du mois de juillet vous aurez presque la moitié du gouvernement qui viendra siéger ici à Diamniadio le pôle est à 15 km de l'aéroport international Blaise Diagne et il sera relié aux grands axes routiers et autoroutiers, ce qui permettra de connecter davantage Rufisque au reste du pays, mais aussi et surtout de le connecter aux localités du monde. Le pôle urbain de Djamnadio, qui est euh, un condensé de ma vision en matière d'aménagement du territoire et de développement est doté d'infrastructures de dernière génération. Cet amphithéâtre et ce centre international Abdou Diouf a été la première infrastructure implantée il y a trois ans dans ce pôle. Donc c'est un pôle qui ne date que de trois ans et qui est en pleine expansion. Il est doté donc d'un réseau de transport moderne qui améliorera de façon notable la mobilité dans l'ensemble du département de Rufus. De plus, nous aurons le train express régional qui va relier Dakar à l'aéroport, mais qui s'arrêtera surtout déjà en janvier 2019, ici au pôle de Diamniadio, et qui desservira un certain nombre de communes avant de poursuivre sa trajectoire vers AIBD. Le parc industriel, nous avons vu déjà la présence d'un certain nombre d'entreprises industrielles et de services. Le port minéralier de Sendou Barni. Le port commercial de Yen Ndayan. Le pôle urbain du Lagros la Cité du Savoir, la Maison des Nations Unies que je vais implanter bientôt, qui pourra accueillir jusqu'à 3000 agents des Nations Unies ici dans le pôle urbain de Diamniadio. Et bientôt, bientôt, une annexe du Palais de la République qui sera également implantée, puisque ne l'oublions pas, notre palais est quand même un héritage colonial, il est très beau, mais nous nous devons tout de même de laisser une trace pour l'avenir. Le département de Rufesque sera assurément un pôle de compétitivité dynamique de notre pays. Il faudra donc élaborer une stratégie territoriale cohérente, fondée sur la coopération décentralisée en particulier et un partenariat entre acteurs du territoire, auteurs autour de projets structurants offrant des opportunités de croissance, d'emploi et une visibilité internationale de risque. S'agissant de l'emploi, comme vous le savez, je viens de lancer l'important programme de formation école-entreprise appelé PF2E qui devra prendre des jeunes initiés à l'école ou pas, leur faire une formation sur trois années et leur permettre de disposer d'une bourse qui sera de 40 000 francs CFA versée intégralement par l'État pour la première année, versée pour moitié par l'État et pour moitié par l'entreprise qui accueille les élèves et apprenants. Et à partir de la troisième année, l'entreprise devra se substituer j'engage les entreprises présentes dans le département de Rufus et surtout dans le pôle urbain de travailler étroitement avec le ministre en charge de la formation professionnelle pour faire bénéficier de la jeunesse de Rufus de ce vaste programme et cela permettra aux jeunes rufiscois de venir sur le marché ici chez eux avec une qualification. Car ce qui manque pour la jeunesse, c'est les moyens de la formation. C'est pourquoi nous intervenons sur l'employabilité. Et 6% seulement de la jeunesse en âge de travailler dispose d'un métier ou d'une formation qualifiante. Donc le premier défi, c'est le défi de la formation qu'il faut relever si nous voulons trouver des emplois durables à la jeunesse rufiscoise et à la jeunesse nationale. Mesdames et Messieurs, chers élus du département de Rufusque, chère population, votre département, comme tout territoire durable, doit être une collectivité guidée par une gouvernance vertueuse, rationnelle, efficace et transparente, suscitant par son exemplarité des comportements citoyens. Ce forum constitue ainsi un cadre privilégié pour réfléchir sur les défis liés à la gestion optimale des infrastructures modernes qui, sont installées déjà et qui le seront davantage, la construction et l'entretien de bâtiments intelligents, la gestion durable du système de collecte des déchets la problématique de l'eau potable, de l'électricité, mais aussi l'agression des côtes. On ne peut pas parler de refusque sans parler aujourd'hui des risques liés à l'érosion côtière. je vous salue. Vous êtes beaucoup battu sur cette thématique. Et le gouvernement est engagé pour protéger la côte de Rufus, qu'il s'agisse de la petite côte comme de la grande côte. Je voudrais au demeurant vous dire que j'attends avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le Président, les conclusions qui seront issues de vos échanges sur les thèmes pertinents de ce symposium, notamment le PSE, cadre stratégique de développement économique, la décentralisation et le développement, ou alors la thématique sur Rufisque comme hub maritime de l'Afrique de l'Ouest à cause des ports que je viens d'indiquer. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le Forum économique de Rufisque.